18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de Studio Kalangou, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Dans ce numéro, nous allons parler de l'impact des fortes précipitations sur plusieurs ouvrages, dont des infrastructures routières et des ponts ces dernières semaines. Ensuite, la décision du gouvernement de réduire de 50% les tarifs actuels de prestation des soins dans les formations publiques de santé du pays. Enfin, la journée de la langue Hausa célébrée le 26 août 2024. Avec nos invités, nous verrons la place qu'occupe la langue Hausa dans notre pays et dans le monde entier. Pour cela, j'ai autour de moi Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Hussein Issa, journaliste indépendant, bonsoir. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également, bonsoir. Bonsoir, Madame Nafissa. Pour la modération, je suis Nafissa Adam Sirfou. Look alive. auditeurs et auditrice des programmes du studio Kalongo, merci de nous recevoir chez vous. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi avec la décision du gouvernement. En effet, le jeudi 22 août 2024, le gouvernement a adopté un projet de décret qui prévoit une réduction à hauteur de 50% les tarifs de prestation des soins dans les formations publiques de santé à travers le pays. La mise en œuvre est prévue à partir du 1er septembre 2024, une décision accueillie à bras ouverts par beaucoup car elle sera d'un grand rapport pour les bénéficiaires. Cette décision sera donc appliquée dans toutes les formations sanitaires publiques où, selon les observateurs, le niveau actuel des tarifs de prestations constitue une entrave majeure pour l'accès aux soins de la population. Je commence avec vous, Abdoulaye. Euh, quelle est votre réaction Comment avez-vous accueilli cette décision du gouvernement Oui, merci, Madame Nafissa. C'est une décision vraiment salutaire. Je l'ai accueilli à l'instar de pratiquement un bon nombre de compatriotes avec beaucoup plus de, beaucoup plus de, bonheur, étant donné qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les prestations sanitaires dans nos, dans nos centres de santé, coûtent vraiment excessivement cher, mais la mesure concerne les formations sanitaires euh, publiques à, hauteur de 50%. 50% c'est extrêmement important parce que ça, c'est réduit à euh, de moitié pratiquement. <clears throat> Maintenant, le problème qui peut peut-être euh, se, poser, est-ce que euh, le plateau technique euh, suit, n'est-ce pas, si les prestations sont revues à la, à la, baisse, il y aura un afflux sûrement de, patients vers les différents centres de santé, les formations, les centres hospitaliers régionaux, de districts, etc., qui concernent la, décision. Donc, il faudrait un personnel en santé intensifié oui, la il faut d'abord, euh, ce qu'on appelle un personnel euh, qualifié, un personnel également disponible et un plateau technique vraiment à la hauteur des, prestations, n'est-ce pas, que les, patients seront appelés donc à, demander à vouloir. Mhm. C'est vraiment ça le, problème. Mhm. Voilà. Alors, Arimi, qu'en pensez-vous Êtes-vous euh, d'avis Oui, en fait, c'est une très bonne décision euh, sans le dire, tous les Nigériens est euh, pris vraiment de justice, je dirais, euh, s'y attendaient. Parce que la santé, c'est un droit humain fondamental et il revient à l'État de le devoir et l'obligation de l'assurer pour tous les citoyens. Et étant un droit humain fondamental, à défaut d'être gratuit, euh, ça ne saurait être cher parce que nous avons le niveau de vie, les capacités vraiment financières de notre euh, population. Euh, la pauvreté ambiante est encore très très répandue et on estime selon les dernières statistiques à moins de vraiment d'un dollar par habitant dans notre pays. Et donc même avec cette réduction de coûts, c'est sûr que ce n'est pas accessible. Mais aussi, on sait euh, que la, réalité euh, fait qu'en ce moment, on ne peut pas, on ne saurait dire que les soins de santé, c'est complètement gratuit euh, au Niger. Et donc, la réduction, ça permet à un certain niveau, à un certain nombre de Nigériens d'y adhérer, d'y accéder. C'est une très très bonne chose. Mm. il faut vraiment, comme l'a dit Abdoulaye, songer vraiment à l'amélioration de la qualité du plateau technique, mais aussi à la disponibilité de ces centres de santé mhm. de niveau 1, 2 et même 3, mhm. vraiment sur toute l'étendue du territoire euh, national. Parce qu'une chose est la réduction euh, de, de, coûts. L'autre, c'est la possibilité pour chaque Nigérien, même dans les coins les plus reculés, euh, d'y accéder. Et donc, moi, je pense que euh, on a des priorités euh, dont on n'a pas besoin d'être spécialiste pour, euh, les savoir dans notre pays. Mm. La santé, l'alimentation, l'école constituent des priorités à tout point de vue dans notre pays. Mm-hmm. On sait que un État, c'est plein d'autres priorités, mais ce sont là des priorités que personne ne peut nier. Et donc, songeons à euh, l'amélioration vraiment, même du point de vue budgétaire, mhm. vraiment, euh, ce que l'État peut donner du point de vue doit être nettement revu à la hausse. Il est dit que la mise en œuvre euh, est prévue de cette décision est prévue à partir du, 1er, septembre. Êtes-vous optimiste quant au respect même de cette décision par les agents On n'a pas le droit. Mhm. C'est notre, c'est le pays, c'est l'État qui a décidé. C'est le premier responsable du pays qui l'a décidé. Ça ne saurait ne pas être le cas tout le monde est obligé de se plier. Euh, surtout les agents de santé, ils n'ont pas d'autre choix que ils sont payés pour faire. Hein. Euh, contrairement à ce que les gens pensent, le fonctionnaire, c'est un agent payé pour faire le travail qu'il doit faire. Quand on te dit que c'est gratuit, c'est gratuit. Maintenant, euh, de par le passé, on sait que des choses ont été tentées sous, par exemple, le président Tanja, mhm. n'est-ce pas et l'application a causé problème. D'une part, l'État n'a pas su prendre en charge les coûts additionnels n'est-ce pas, procéder à l'accompagnement. C'était difficile de rembourser certains frais aux centres euh, euh, médicaux et autres. Mais en même temps, on sait aussi que les gens se débrouillaient pour dire que tel soin n'y a pas, tel spécialiste n'est pas disponible, mm-hmm. donc il faut aller dans les cliniques où mm-hmm. les coûts déjà même avant la réduction, sont très élevés. Parfois, c'est dix fois. Mm-hmm. Dans une clinique, euh, la seringue était facturée à 300 francs, 300 francs, voire 500 francs, n'est-ce pas Alors que tu l'achètes à moins de 100 francs, à la pharmacie directement. Et donc, euh, déjà, hein, les coûts entre les cliniques privées et les centres publics sont dix fois parfois. Moi, j'ai vu le cas de la nébulisation. Euh, j'avais une nièce qui n'avait pas de charge. Euh, je, n'avais pas les moyens de l'amener à la, clinique. Je suis allé à la, à l'hôpital Poudrière Là où j'ai l'habitude de payer à la clinique non loin de chez moi à 10 000 francs, ça m'a coûté 1000 francs CFA. C'est nettement différent. c'est nettement différent. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc, il faut qu'on... C'est une question de droit. Euh, celui qui refuse de, de, de délivrer ce droit-là, vraiment doit pouvoir se retrouver dans le, dans le privé, chez quelqu'un d'autre ou sa propre clinique qu'il va créer. créer mhm. Et même là, le contrôle de l'État s'impose. Euh, tantôt, en parlant de, de, de ces mesures-là, on avait pensé justement aux agents qui sont un pied dans le public, un autre dans, dans le privé. Mhm. Euh, et, on s'était dit qu'au moins, celui qui crée une euh, clinique euh, privée n'a pas le droit d'exister dans le public. Parce que sinon, c'est le salaire qui l'intéresse et tout. Donc, à l'État de veiller mhm, mhm. et aux responsables qui sont nommés par des décrets. Mais aussi, il faut souligner un aspect important. J'attire l'attention vraiment des agents de santé qui pour commencer à exercer jurent vraiment, ils ont un, serment d'Hippocrate mm-hmm. qu'ils assument avant de, mm-hmm. venir. Donc, ce n'est pas un vain mot. C'est important, vraiment, c'est sur l'honneur. Mm-hmm. Alors, l'État doit veiller à l'application stricte de cette décision. Mousseni, selon vous, comment le gouvernement doit s'y prendre aujourd'hui C'est la question que tout le monde se pose. J'ai vu une note circulaire sur les réseaux sociaux où le ministre de la Santé a indiqué, comment vais-je dire, euh, a indiqué, euh, pratiquement, c'était adressé aux districts sanitaires, aux hôpitaux, que la tâche de prix à la mise en œuvre, oui. n'est-ce pas, les cas de santé partout. Bon, c'est bien, c'est une initiative très louable, mais le problème, c'est la mise en application. Quand on voit comment les formations sanitaires publiques fonctionnent actuellement même, on se pose beaucoup de questions n'est-ce pas Justement, quels sont d'ailleurs, avant d'arriver, quels sont d'ailleurs les défis aujourd'hui du système sanitaire Le défi, c'est d'amener les fonctionnaires, les agents de santé du public de rester, de venir faire leur travail à temps. Pas venir faire une heure de temps d'abord avec retard souvent. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là du matin, non, la personne vient, peut-être avant de commencer à consulter, peut-être à 11 heures, la personne vient, la personne se contente de consulter. Il faut créer les conditions pour que les agents soient à leur poste, mhm. n'est-ce pas mhm. Pour pouvoir, assurer les prestations. Parce que le tout n'est pas de dire euh, euh l'État Encore faudrait-il amener ces agents-là à se déplacer et à, faire en sorte que les patients ne soient pas. Parce que prennent l'examen, la personne peut partir toute la semaine durant. On va lui dire que le médecin n'est pas là, ou ceci, cela, ou d'aller revenir le lendemain. Alors ça, ça fait un coup déjà. Alors, il faut créer les conditions pour mettre fin, pour veiller à ce que un centre de santé, c'est quelque chose de très, très, très précieux, mhm. n'est-ce pas et Le personnel doit être là en permanence tant qu'ils sont de garde, ils doivent être là en permanence. Mm. Il y a, il y le système de garde qui est là, n'est-ce pas Et le système de repos. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'il y en a, ils viennent quand ils veulent, ils s'en vont peut-être après avoir consulté deux ou trois patients, parce que tout simplement, Arimi vient de dire quelque chose, ils ont des, euh, officiers, des cliniques privées où ils interviennent oui, et malheureusement aussi, il y a l'aspect de l'insuffisance de certains agents dans certaines localités. Euh, la, question du ratio, même la question du ratio, qui n'est pas... Ratio, mais ça, c'est un problème général. Mhm. C'est lié à des politiques qui ont été menées dans ce pays. Malheureusement, ce n'est pas seulement la santé. Quand vous prenez l'éducation, <coughs> Mais aujourd'hui, c'est grâce au système de contractualisation que l'éducation fonctionne. 80% des agents de, l'éducation. Dans la santé, vous les trouvez aussi. Mais il faut créer les conditions parce que c'est ça qui fait la motivation. N'est-ce pas Je suis dans le système en tant que contrat. Au bout d'un certain temps, il faut qu'on me recrute. Euh, parce que c'est ça qui va m'assurer une carrière, euh, bah, machin, je vais avoir une retraite et tout et tout. je, vais être sûr. Mhm. Mais quand il n'y a pas, comme avait dit, il n'y a pas, a a pas de garantie. Mhm. Mais que même la, la, la, la, la petite somme qu'on me donne à la fin du mois, là, hmm. c'est souvent ça peut prendre 45, jours, 60 jours. avant que je, je ne prenne un montant qui, qui, qui a à peine atteint 80 000. Hmm. Ça démotive. La meilleure façon de faire, c'est d'abord de faire des recrutements massifs. Ce pays-là a été pénalisé par rapport à ces politiques-là où ils sont venus, ils ont dit, les blancs sont venus, ils ont dit, il faut plus recruter. Mm, mm. Il faut trouver d'autres mécanismes. C'est ça qui nous a mis en retard dans ça. N'est-ce pas mm. Quand on voit le, ratio médecin et population, c'est... Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors. Mais parlons même de ces nouveaux tarifs, pensez-vous qu'avec ces 50% de réduction, même ça sera abordable à la portée même du, Nigérien là, le problème là n'est pas... Les gens déjà, même quand tu paies à 100%, <laughs> il n'y a pas de garantie que les soins soient produits. Même quand tu paies à 100%, mhm. les, gens, ils vont, les gens se soignent, non Jusqu'ici, même s'il faut aller vendre euh, le bétail, mhm. n'est-ce pas mais, le, constat est là euh, à cause de vraiment des conditions ou bien de, l'accès euh, aux soins dans les publics. Euh, la majorité préfère aller vers le privé aujourd'hui. parce qu'il y a une diligence dans le privé. La diligence qu'il y a dans le privé, il n'y <laughs> a, pas cette diligence-là dans le public. Alors toutes les mesures doivent être prises pour vraiment assurer un meilleur vous accès. vous allez avec votre patient dans un machin à l'hôpital. On va vous dire allez revenir demain. Mhm. Ah, allez revenir après-demain. Ainsi de suite, alors que le cas s'aggrave. on vous dit dans un mois. Oui, on vous dit dans un mois. Alors, qu'est-ce que vous avez D'accord, oui. Alors, vous, Abdoulaye, selon vous, comment faire de cette décision une effective, totale pour l'effectivité de la, de la décision, déjà, le ministre en charge de la Santé a instruit les différents responsables euh, des centres régionaux, départementaux, n'est-ce pas, pour l'application à partir euh, d'après, donc, du, 1er septembre. Mhm les conditions doivent être réunies. Les défis au niveau plan sanitaire sont, sont énormes. Nous avons tout à l'heure, Arémi à parler du serment d'Hippocrate. Il faut mhm. que les, les agents de santé soient conscients et consciencieux dans le cadre de, de, leur travail, parce que la santé n'a pas de prix. Mhm. de, deuxième ou troisième chose, c'est qu'il faut également que le plateau technique vraiment soit réponde euh, aux, exigences du, du moment. On ne peut mhm. pas comprendre que dans un hôpital que, qui manque le, matériel. Et c'est même les mêmes agents qui disent, ah, qui vous orientent vers les cliniques où on peut faire, on peut faire, on peut faire l'examen. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait, vraiment, j'ai vécu l'expérience, donc je sais de quoi il, il, est, mm-hmm. question. Maintenant, il reste à l'État, à l'État, le premier employeur, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. C'est fini. Il faut, il faut, il faut, il faut que les gens rendent gorge et rendent compte de ce mm-hmm. qu'ils font vous mettez dans les conditions et que vous ne, vous ne faites pas le, travail comme ce pour lequel vous êtes euh, payé, mais l'État aussi doit prendre ses responsabilités pour dire non. D'accord. Alors vous, Armi, est-ce que oui En fait, aussi euh, en ce qui concerne les spécialistes, hmm. parce que l'essentiel des problèmes se pose avec euh, eux. Quand c'est une proposition, si l'État si un docteur avec les moyens de l'État, avec une bourse de l'État, s'en va faire une spécialisation, mhm. il faut bien dans son contrat qu'il y ait une obligation d'exercer ne serait-ce que 5 ans mhm. ou 10 ans vraiment ferme au service du public avant d'aller faire. Mais tu vois, avec les bourses, la bourse de tout le monde, l'argent de tout le monde, tu vois, on te forme, tu reviens. Parce que maintenant, tu sais faire quelque chose que seules quelques personnes savent faire. Tu te mets à l'écart, tu fixes tes prix et tu deviens difficile d'accès. Tu n'exerces ne, tu même pas dans euh, le public. Mhm. Donc, ça aussi, c'est un problème. À mon avis, il faut songer à mettre les spécialistes dans euh, vraiment au service de, la population. Dans toutes les régions, dans toutes les localités, oui, bien sûr. Malheureusement, il n'y en, a pas assez. Aucun, médecin spécialiste. Même au Niger, il y en a qui sont seuls. Mhm, mhm. au, Niger entier, il y a des spécialités où c'est une ou deux personnes. À plus forte raison, les centres euh, hospitaliers. Et les centres hospitaliers, on sait qu'aujourd'hui, c'est tout au plus dans les arrondissements qu'il y en a et après, c'est fini. Et les niveaux ne sont toujours pas les mêmes. Donc, vraiment, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'éducation. Mhm, mhm. La formation dans ce secteur, l'éducation, la santé, vraiment, ça doit, l'accent, on doit mettre là-dedans et on doit fixer des, objectifs. Mhm, Parce que nous avons une population extrêmement jeune. Aujourd'hui, les moins de 25 ans constituent plus de 65% de la population, sur les 26 millions de Nigériens. Et donc, euh, si la gratuité n'existe pas, parce que c'est des gens aussi qui ne sont pas productifs. Est-ce qu'on peut espérer même arriver un jour à une gratuité euh, totale des soins, même de les services En tout cas, le, le, le, droit vraiment à la santé, c'est un droit fondamental. Hmm. Aussi, l'assurance au plan vraiment euh, sanitaire euh, généralisé pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est ça fait son petit bonhomme de chemin. Mm. Les États sont en train de trouver des mécanismes de prise en charge. Il y a des États où si tu tombes en panne, c'est sûr que tu as une assurance quelque part qui peut mm-hmm. te prendre en charge, et toi, et tes ayants droit. Mais ce n'est pas le cas chez nous, en fait. les gens ne savent pas. Quelqu'un qui tombe malade, même en Amérique ici, s'il n'est pas fonctionnaire, s'il n'est pas, euh, ne travaille pas pour une ONG, c'est sa vache qu'il doit aller vendre. S'il en a, sinon il meurt de sa maladie le même jour. On espère donc avec euh, cette euh, réduction de 50% que les choses puissent changer positivement. Merci bien pour ces précisions pour le premier sujet de notre forum de la presse. Nous allons observer une courte pause. Deuxième sujet de ce forum au Niger, beaucoup d'ouvrages dont des infrastructures routières et des ponts n'ont pas résisté aux fortes précipitations de ces dernières semaines. La RN1 à Niamey-Dosso, e la RN31 qui relie Kolo à Niamey et la voie de Baleyara, quelques encablures de Sagagourou ont été coupées pendant des jours suite à ces fortes pluies. La capitale Niamey était enclavée pendant des jours. Heureusement, le trafic routier a repris sur la RN1 et la RN31 avec les travaux entrepris par le ministère du Transport et de l'Équipement. Alors, Arimi, quel était l'impact sur les usagers de ces routes Quel était votre constat ah, Écoutez, Niamey était isolé mhm. euh, du reste du pays pendant une bonne semaine en réalité, mhm. parce que les seules routes, praticables étaient les routes déjà bloquées, mhm. euh, je dirais, par les terroristes. Oui, on avait accès juste à Telaberi. Walam, s'était coupé. Balera, mhm. s'était coupé. Dosso, Kolo, tout ça, s'était coupé. Et Makalondi et Terra, on sait que c'est une voie des, rois bloqués déjà par, euh, par les terroristes. Donc, euh, c'était vraiment euh, compliqué en fait pour les mhm. usagers. Je mhm. connais une famille qui devait aller pour des funérailles, qui n'a pas pu se rendre, qui n'a pas pu effectuer. Mais aussi les bus il y en a au moins 100 qui sortent de Niamey à l'intérieur du pays chaque jour. Ces bus sont restés bloqués et pendant, pendant, pendant tout ce temps. Mm. Donc, ce qui fait que euh, ça, c'est un signal vraiment d'alarme mm. parce que euh, oui, certaines de nos infrastructures euh, à l'origine déjà ont été certainement mal faites, mhm. mais aussi n'étaient pas prévues pour résister à une certaine quantité d'eau. Et là, on assiste euh, à un changement climatique, on a plus des eaux abondantes, oui. n'est-ce pas Et donc, on a des infrastructures qui doivent résister davantage. La reconstruction des infrastructures qui ont cédé, le renforcement de ceux qui n'a pas encore cédé, parce qu'on est habitué dans la zone de Yeya, euh, dans la zone euh, de, de, de, de entre Agadez et Tawa, mm. il y a déjà des infrastructures qui ont l'habitude de céder. Autrement dit, qui ont besoin de renforcement en ce moment-là, parce que euh, des zones où il ne pleuvait même pas. Cette fois, on a vu des inondations et tout. Donc, il faut prendre ça en compte. Mhm. Et ça, c'est vraiment le service de l'État. Mhm. Sincèrement, ce n'est mhm. pas quelqu'un d'autre qui doit faire, c'est le service public. Et on doit euh, veiller, faire le monitoring, voir où est-ce que le problème peut se poser, doit se poser, faire un travail vraiment de prévision. Parce que c'est grave une localité comme Niamey coupée, vraiment capitale euh, coupée du reste du pays pendant tout ce temps. C'est sûr que les pertes en matière, en, termes économiques, n'est-ce pas, euh, et pour les particuliers et pour les sociétés, c'est incalculable. Mm. malheureusement, ce n'est pas des choses dont nous avons l'habitude de, de, faire, sinon les pertes sèches, on ne peut pas en compter. compter. Déjà, on a des frontières qui sont fermées, on a, et encore si on peut être confronté, imaginez une évacuation de Dosso vers Niamey. On a vu même les conséquences avec les prix de certains produits qui ont grimpé automatiquement, en quelques jours. Ça, il faut attirer l'attention mm-hmm, mm-hmm. vraiment entre Nigériens là. On doit se dire la vérité. Mm-hmm. on dirait que chaque Nigérien <laughs> vraiment souhaite le malheur de l'autre pour vraiment soutirer des sous avec. on a vu il euh, y en a qui sont allés vendre le sachet de Piawata à 1000 francs là-bas, mm. n'est-ce pas Le carburant que nous produisons et dont récemment le gouvernement a réduit le coût, n'est-ce pas, est allé subitement à 2000 francs le litre. Mais comment on peut être euh, les commerçants C'est le plus nombreux qui sont les plus nombreux à la mosquée, mm-hmm. ceux qui ont les barbes là. Mm-hmm. La plupart, ce sont eux. Mais on ne peut pas être au service de Dieu, soit dit, et se comporter de cette manière. Ce sont donc là des conséquences vraiment issues de ces routes qui ont été coupées. Voilà, donc de ces routes, ces ponts qui ont coupé euh, ont engendré des conséquences. Et justement, selon un enseignant-chercheur euh, à l'université ou Koudankolodo que nous avons interrogé, docteur Bill Hassanou, euh, il a indiqué à notre correspondant qu'il faut réadapter les ouvrages à la situation pluviométrique. On l'écoute. Voilà. Les pluies sahéliennes sont devenues très agressives sur des sols qui sont de plus en plus dégradés. Et donc, la recommandation, c'est qu'il faut redimensionner les ouvrages. On ne peut plus faire des petits ponts. Il faut vraiment faire des ponts qui vont donner accès à cette quantité d'eau de plus en plus importante qui arrive. Maintenant, ce comportement pluviométrique a changé. Donc, il faut réadapter les ouvrages au contexte climatique. Si on pense à les restructurer, je pense que c'est moins impactant en termes économiques que si déjà l'eau fait des dégâts. Si l'eau emporte le pont, il va encore emporter une grande partie du terrassement qui a été fait. Tandis que si aujourd'hui on intervient, c'est plus facile de prendre ça en charge et on évite aussi de la frustration que cela génère. Vous venez donc euh, d'écouter Dr Bill Hasnou, enseignant-chercheur à l'université d'Andico d'Anclodo, qui propose de réadapter les ouvrages euh, euh, à la situation vio-métrique. Vous, Ousseini, que pensez-vous de la solution proposée par Dr Parce que justement, justement, c'est des infrastructures qui sont souvent faites à la légère. On donne quelqu'un qui n'a jamais construit de route à un tâcheron pour construire une route, alors qu'il y a des normes il faut étudier le sol. Il faut étudier l'épaisseur même et la largeur. Mais le plus souvent, au cours de ces dernières décennies, ce n'est pas des routes. Pratiquement, même sans la pluie, même ça, ça, ça, ça, ça s'en va. à sans, vous couper la parole, la plupart de ces ouvrages euh, infrastructures routières datent des années. Donc tout cela n'a pas été pris en compte, ou bien Non, n'a pas été pris en compte. Parce mm. qu'il faut étudier, il faut tenir compte aussi du climat. Les gens sont restés, on donne le marché à quelqu'un qui vient, parce qu'en amateur de route, amateur de n'importe quelle infrastructure, il faut étudier même la nature du sol, mm. la qualité. Et quand on fait un pont, on doit tenir compte de ces paramètres-là. On ne fait pas les, comment ça s'appelle, souvent, le, comment on appelle ça, et comment ça s'appelle, les, ouvrages d'évacuation qui, qui, qui, feront en sorte que l'eau ne reste pas sur la voie. Mm. Quand ça vient, quand on fait des canalisations qui peuvent dévier l'eau, on ne serait pas dans cette situation-là. Voilà. Eh, mais on fait, on fait à la légère parce que tout simplement quelqu'un est venu prendre ses milliards, il vient, il met, comment s'appelle, euh, bitume, il met un peu de latérite, il met bitume et puis c'est fini. Même le poids des véhicules au bout d'un certain ça, ça se dégrade. Mm, mm, mm. Alors, il faut, il faut s'interroger, quel genre d'infrastructure on veut Quand vous allez dans d'autres pays de la sous-région, mais c'est des routes, à l'époque, les routes qu'on faisait à l'époque, c'est des routes très durable, très très durable, des routes qui peuvent résister pendant 30-40 ans. Aujourd'hui, c'est des routes au bout de 5 ans. C'est fini. Maximum 5-10 ans. Ah, alors, voilà le problème fondamental, parce que les gens se sont enrichis à travers ces genre de, mhm. comment s'appelle ces de marché C'est des marchés lourds. Et c'est dans ça que les gens se sont enrichis. Regardez même un peu à Niamey ne sortez même pas. Regardez, il y a combien de routes qui sont praticables aujourd'hui dans cette ville À cause de l'eau. Tu vas trouver des crevasses, euh, comment ça s'appelle, en, plein milieu, où les véhicules sont obligés de slalomer pour pouvoir continuer. Voilà la situation. On investit de l'argent, beaucoup d'argent, des milliards. On doit faire ces investissements pour que ça dure longtemps, mhm. n'est-ce pas Ça va permettre à l'État de souffler et d'investir l'argent ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on a trouvé comme solution, aller faire des, déviations pour pouvoir l'atterrir C'est des solutions de, comment ça s'appelle de, comment on appelle Donc, si, on vous comprend, tous ces aspects devraient être pris en compte, même dans le schéma de le de, euh, Oui, bien sûr, et, mm. travailler avec des, spécialistes. Il n'y a malheureusement pas ça. Pendant des décennies, en tout cas les deux dernières décennies, là, on a vu les gens qui faisaient les routes c'est pratiquement des gens qui sont venus avant-hier seulement. Hmm. Avant, il n'y avait pas que ça tombe, en, matière de construction de routes, hein, il y a, d'autres. Euh, SNGTN, je me rappelle, c'était des grosses entreprises. Il y avait, comment on appelle ça hein? dragage, tout ça, qui faisait et qui appartenait à moitié, bah, à moitié à l'État. Cela interpelle alors euh, Abdoulaye euh, une, presque une semaine que la capitale était carrément isolée avec les différentes voies d'entrée vers euh, Dosso, Kolo qui était coupée Cela interpelle Oui, ça interpelle. Mes, prédécesseurs viennent de, viennent de dire quelque part les, les, raisons qui ont pu amener à avait d'être isolé avec euh, les, inondations où les ponts ont cédé, les routes euh, ont été coupées. Et pour venir à, ces, routes coupées, Hussein a essayé de montrer les, raisons qui pourraient amener à faire en sorte que les routes ne sont pas de qualité. Hmm. Parce qu'après tout, c'est ça. Les travaux en amont devraient être des travaux de, travaux de topographie, de terrassage, de terrassement, hmm. de remblai, etc., etc. Or, à regarder de près, ce n'est pas ça. Les points qui ont cédé, ce n'est pas ça. Pourquoi parce que tout simplement, quand on prend un petit exemple par rapport à la, construction d'une voie goudronnée, mhm. n'est-ce pas Le kilomètre le kilomètre d'une route euh, goudronnée, le, prix oscillerait aux, alentours de 1,5 euh, euh, milliard de francs CFA que j'ai regardé avant de venir ici. Selon sur, les spécialistes. Sur, Google, que j'ai regardé sur Google avant de, venir. Donc, minimum 250 millions à 1,5 milliard 500. Alors, la route coûte extrêmement cher. Euh, qu'est-ce qui se passe Quand euh, le, financement est, acquis, maintenant, le maître euh, d'ouvrage et les travaux de les commissions font en sorte que font en sorte que les dessous de table tout, ça là font en sorte que l'assiette financière prévue n'est-ce pas pour la, la construction n'est-ce pas la, totalité ne rentre pas alors, si la totalité ne rentre pas, celui qui est chargé de faire euh, la route, lui, il travaillera avec ce qu'il ce qui, ce, ce a sous la main. Hmm. Mais ce qui fait qu'il va chercher des, matériaux de, de, de, pas très, de très bonne qualité, pas de très bonne euh, qualité. Il va faire en sorte que l'épaisseur, même où Oussel vient de parler de, l'épaisseur, il va diminuer dans, dans, l'épaisseur, hmm. et etc., etc. Il va jouer à ce que lui, il ne perd pas. Maintenant, l'ouvrage, il est là, il est là, mais il n'est pas de qualité. Il est là juste pour un, euh, pour un an maximum, deux ans, et puis ça commence à, à céder. Mm-hmm. On a vu dans Niamey, quand on circule dans Niamey, euh, on voit euh, les 100 mètres tout à l'heure où Arimi vient d'en faire, faire casser. C'est un, un, peu honteux. Mm. Deuxième chose, les travaux, on fait désormais des routes au Niger sans canalisation des eaux pour, pour les, les, eaux de mm. Ce qui fait que vraiment, il n'y a pas de temps pour, à tout moment, on peut construire les routes. On ne peut pas faire un goudron pendant la saison des pluies. Il n'y a pas mm. le soleil. Mm, le mm. goudron, c'est le soleil qui, Vous comprenez Donc, il y a tous ces aspects qui interpellent. Ce qui fait que quand on voit désormais avec euh, les militaires qui sont au pouvoir, on a vu, c'est vrai, il faut, il faut leur tirer chapeau avec la rapidité avec laquelle les routes ont, ont, ont, été. Il y a eu des déviations, les ponts ont été mm-hmm. repris, tout ça pour faciliter le, passage, des personnes et des, véhicules, euh, tout ça là on peut désormais, il faut que les travaux soient, n'est-ce pas, des travaux de qualité qui pourraient correspondre avec la prévision de ce que notre spécialiste, de, et l'adaptation au changement euh, climatique, donc anticiper, n'est-ce pas, prévoir. Mm. Donc, euh, tous ces aspects-là doivent être, euh, doivent être pris en compte, n'est-ce pas, dans les perspectives. D'accord. Alors, vous, Arimi, quelles sont vos recommandations pour les prochaines années à venir J'ai eu le malheur de suivre deux fois dans la semaine, euh, parce que je suis allé voir des gens pendant ce temps-là, euh, sur la route euh, qui va de, je dirais, pas de la, oui, de Lazare, pas Lazare, oui c'est ça, Lazare à la francophonie, mm. la grande route qui vient de l'ancien échangeur. Mm-hmm. Mais je vous dis, vous avez l'impression que la pluie est en cours dans quelle hôte vous êtes obligé de rentrer les transports en commun, les taxis, les mhm, particuliers mhm, mhm. pour passer. Et le risque de tomber dans des trous qui peuvent bloquer la circulation en n'importe cas. Mais de l'eau à n'en point finir sur une longue distance, mais comment ça peut arriver dans une capitale, comme Yamé Et le principal problème auquel on est confronté, c'est le problème d'attribution de marchés publics. Il faut résoudre ce problème. Parce que normalement, des dispositions sont prises au moment, d'abord pour postuler, avoir ce marché-là, pour l'exécuter, hein, mais aussi pour réceptionner tous ces matériaux, toutes ces, infrastructures-là ne sauraient être réceptionnées dans un cadre correct. Mm. Mais tu vas voir, la réception n'a jamais eu lieu, les gens sont réglés à 100% et désormais la population est laissée à elle-même. Comment ça peut arriver à Niamey À l'état de revoir vraiment. Ah, sincèrement, sincèrement, on mm. doit vraiment revoir ça. C'est très grave, c'est honteux quand même, un ingénieur pont et chaussée, ce n'est pas n'importe qui. Mm-hmm, mm-hmm. Quand il exécute un marché de ce genre, en son âme et confiance, conscience, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Mm-hmm, N'est-ce pas, Ceux qui doivent superviser. Oui. Le, malheureusement, à l'époque, comme je me rappelle, il y a des cadres de, quand même. très intègres. Quand l'État engage un travail, oui. c'est des cadres. On veille à ce que ça soit bien fait. Euh, on, on, était petits tu vois des entrepreneurs qui font tout pour tout arranger parce qu'on dit que non, le représentant de l'État, l'ingénieur de l'État va venir. Ah Je vous assure, on était petits, mais c'est connu même de la population. On espère que vraiment l'État prenne toutes les dispositions pour revoir vraiment euh, les, différents ah. ouvrages pour les réadapter, comme vous l'avez dit, à la situation pluviométrique avec ce changement climatique. Nous allons observer une courte pause. Dernier sujet, la journée du lundi 20 sujet était dédiée à la langue Hausa, la 25e langue la plus parlée au monde. En plus de cette journée, un forum des journalistes en langue Hausa a été organisé du 24 au 26 août à Niamey, une première au Niger. La rencontre a réuni plus de 100 professionnels venus de plusieurs pays africains. Écoutons Ghazali Abdou, un des participants qui nous parle des défis auxquels font face les journalistes de la traduction en Hausa. Quand certains parlent euh, du manque de logiciels euh, performants qui va permettre de traduire correctement la langue, il n'y a pas un logiciel qui traduit correctement une langue. Même Google que les gens utilisent pour le français ou pour l'anglais, c'est toujours du à peu près. Ce n'est pas une traduction correcte à 100%. Il n'y a pas un logiciel spécialement dédié à la langue Hausa. Il faut comprendre que ce n'est pas une affaire de logiciel, c'est une affaire du niveau du journaliste. S'il a le niveau requis qui va lui permettre de traduire correctement les mots, correctement l'essence des mots, correctement les phrases, eh bien là, il fait une traduction correcte. Alors, Ousseini, quelle est votre appréciation des propos de Ghazali qui insiste sur le niveau des journalistes à, traduire le Hausa au français à tous les niveaux. Il n'y a pas que les journalistes à <laughs> Hausa, c'est à tous les niveaux. Dans toutes les langues, il y a hein? ces difficultés là. Ce n'est pas spécifique seulement au Hausa. Uh-huh. Et quand les gens parlent de logiciel, il n'y a pas, évidemment, entre l'anglais et le français même, il n'y a pas un logiciel. Tu peux faire une traduction mm-hmm. approximative, mm-hmm. n'est-ce pas c'est, ça ne doit pas être un problème. Euh, en tout cas, moi, je me dis, la personne a choisi l'option de faire euh, ça, je me dis, j'imagine qu'il connaît quand même, il a une certaine maîtrise de la langue. Mhm, mhm. Tu ne vas pas dans Quelque un. Base, oui. Tu vas pas aller parler une langue que tu maîtrises pas bien. Oui, il te faut chercher les, les, les mots. Tu fais un journaliste dans la langue que tu maîtrises. Voilà, et au-delà donc de mm. cette question de traduction euh, des journalistes de la langue, il est dit que la langue Haussaï est aujourd'hui la 25e langue la plus parlée au monde. ici au Niger, selon vos constats, quelle est la place qu'elle occupe dans notre pays Elle occupe une place prépondérante, n'est-ce pas Parce que quand vous regardez les, comment parler dans toutes les régions du pays, mm moi, je ne veux pas tellement, parce que vous prenez toutes les langues d'ailleurs, aujourd'hui, elles sont parlées dans toutes les régions, mais il y a beaucoup plus de locuteurs à Oussa que de locuteurs, comme on avait dit, dans les, dans, dans les autres langues. Mm-hmm. Voilà, parce qu'on considère que il y a deux catégories, comme on avait dit, quand on doit apprendre les dans leur globalité, ou bien la personne à Oussa, ou bien la personne, même quand la personne est d'une autre ethnie, n'est-ce pas c'est un peu ça. Mm-hmm. Il y a d'autres langues qui sont aussi parlées. Mais moi, c'est même le principe d'organiser un forum euh, autour de, juste. Moi, j'ai trouvé ça quand même aberrant. Euh, une activité qui devait faire deux jours, le lendemain à midi, on arrête. Ah, on aurait pu faire des panels pour poser les problématiques et tout et tout. Mhm. Pas venir faire juste des discours. Alors, la langue Hausa est la 25e langue la plus parlée au monde. Abdoulaye, ici au Niger, euh, quelle est, pas Niger, quelle est l'importance même de l'utilisation des langues nationales, selon vous L'importance euh, de l'utilisation des langues nationales n'est pas à, démontrer. Hein. Elle est très importante, elle est fondamentale. Parce que je me rappelle, le Niger attache euh, euh, du prix à ça, ce qui fait que <clears throat> dans l'éducation, nous avons même euh, une branche au niveau de, du ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Et ça ne date pas d'aujourd'hui il y a eu des écoles expérimentales où c'était euh, euh, l'apprentissage, euh, c'était les courses étaient dispensés en, en germain ou en, en Moi, je me rappelle jusqu'à l'université, même en lettres modernes, je ne sais pas si ça se passe actuellement. Il y a quand même une unité de valeur en, notre temps où on faisait mhm. en roussa ou en ou germain où on faisait la transcription, et la transcription et l'écriture des langues africaines. ce pas? On a eu à apprendre à transcrire euh, et à commenter même des OPP, de, de ou de Djelbaba, etc. etc. Donc l'importance vraiment de la langue euh, n'est pas, euh, langue nationale n'est pas à, n'est pas à démontrer, elle est là. Et elle permet même, du point de vue même apprentissage à, l'apprenant, n'est-ce pas, de, gagner du temps. Parce qu'un enfant qui connaît sa langue maternelle, qui, est formé dans cette langue maternelle, comparativement à un enfant qui va peut-être apprendre une langue étrangère, mm. n'est-ce pas, qui va mettre du temps pour articuler les mots, pour pouvoir même les écrire, c'est pas. Mm, mm. vous comprenez. Donc, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose à encourager. Et je crois même que faut, il faut, on va attendre à, euh, euh, on va, on va attendre à ça dans notre administration sûrement. Mhm. Peut-être que euh, désormais il y aura une langue qui va être privilégiée et que peut-être le français pourrait être juste une langue, mhm. n'est-ce pas, pour, l'administration, quelque chose comme ça. Alors, Armi, une journée dédiée à la langue Hausa ici au Niger, pensez-vous qu'on devrait penser aussi à, l'étendre à d'autres langues? Quelle est votre appréciation Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Il faut faire vivre euh, nos langues nationales, n'est-ce pas On en a 11 maintenant, si je ne m'abuse. Et il faut, s'il le faut, euh, parce qu'on peut faire une activité où ce sont toutes les langues nationales qui sont mhm. concernées, mais aussi on peut le faire euh, par langue. Comme ça, les locuteurs, les personnes qui travaillent autour euh, peuvent vraiment venir exposer les nouveautés, les avantages et tout et tout. Mm-hmm. Sinon, la langue nationale, euh, aujourd'hui on parle de développement de nos pays, je crois que le développement de nos pays passe nécessairement, en tout cas, c'est le raccourci, mhm. l'adaptation de ces langues-là, la maîtrise de ces langues-là. Euh, euh, permettra de prendre le raccourci vers le, développement. Euh, parce que pour faire suite à ce que Abdoulaye vient de dire, tout simplement un enfant, nous on va à l'école généralement en sept ans officiellement. Mhm. Et c'est à 7 ans qu'on commence à apprendre le français. Pour parler le français, euh, il faut aujourd'hui d'ailleurs jusqu'au CM2, ce n'est pas évident. N'est-ce pas Or, un enfant français, imaginé ou anglais, donc, qui est enseigné aussi dans sa langue, ou américain, mhm. qui va à l'école, déjà, la question de la langue ne se pose pas. Mhm. Il faut déjà lui apprendre à écrire et passer dans les mathématiques, les matières scientifiques et tout et tout. Mhm. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être au même niveau. Il y a une différence On perd 20 ans à l'école euh, pour, apprendre, la langue. Le voilà. Et donc, euh, je pense que les langues nationales peuvent nous servir à raccourcir notre course vers le, vers le développement, mhm. mais aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer dans la langue de l'autre. Mhm. Parce que la langue, c'est euh, un des piliers de la culture, n'est-ce pas Et un homme, sa façon de penser, sa façon d'agir, c'est d'abord à travers sa culture, à travers son éducation. On est éduqué dans une langue. Pendant longtemps, pour parler en français, tu réfléchis dans ta langue nationale d'abord. Mhm, mhm, mhm. Et donc, ça, c'est ce qui fait que où on pense que tu ne maîtrises pas, où on pense que tu ne parles pas. Il y a ton accent qui peut venir trahir et tout et tout. Donc vraiment, moi, la langue nationale, il faut, euh, il faut les développer. C'était une très belle initiative euh, l'affaire des écoles euh, expérimentales. Malheureusement, il ne faut pas se le cacher. Il y a quelqu'un qui a quand même intérêt à ce qu'on continuent à parler euh, le français, mhm. euh, que certains d'entre nous parlent <laughs> mieux que les Français français. Et donc c'est aussi euh, c'est ça qui le, le problème qui se qui, se pose. On doit continuer vraiment à réfléchir, à savoir comment développer ces langues-là. maintenant, pour finir vraiment le cas, la question soulevée par Gazali, euh, vous, savez, mm-hmm. c'est un problème de niveau, je suis mm-hmm. entièrement mm-hmm. d'accord. Mais la traduction, c'est un métier, un savoir-faire qui s'apprend. Et nous, généralement, nos journalistes, euh, particulièrement en langue, se jettent à l'eau et c'est chemin faisant que les gens apprennent les techniques, euh, comment faire. Le logiciel aide, bien entendu. Mhm. Aujourd'hui, un logiciel comme Diple, si tu fais le français en anglais, quand le texte en français ou en anglais est déjà bien écrit, mhm. ça te rend presque. Et donc, ça te facilite la tâche. Parce que le journaliste, quand il va, l'activité est en français, il revient, il s'assoit pour traduire. S'il n'a pas de métier pour faire ça mm-hmm. plus ou moins correctement, ça lui prend du temps et ça trahit. La traduction, on dit, traduire, c'est trahir un peu dans, merci, cas. Merci bien donc euh, pour toutes euh, ces analyses, ces, ces appréciations et commentaires. C'est ici donc euh, que se referme le forum de la presse de ce vendredi 30 août 2020. 2024. Nos remerciements à Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, au Issa, journaliste indépendant et Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant également. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes euh, les samedis et dimanches avec l'actu des jeunes dès 17h suivi de tous à la et les forums à Langa, Hausa et Zerma à partir de 18h15 euh, les samedis et dimanches. Je suis Nafis Adam Sirfa la modération. La technique est assurée par Amina Hassan. Très bon un week-end à tous. Au